c'est toujours un plaisir de vous retrouver cikin shirin ku na matasa da studio kalangu ke sarrafa muku a kowane karshen mako. Kun san cikin wannan shirin duk abin da zai shafi matasa sai mun zanta. Notre thématique d'aujourd'hui est plutôt délicate. L'éducation des jeunes. Bata la kolba. Au cours d'un forum du studio Kalangu du 25 juin 2020, Madame Fodi Halimatou, enseignante à la retraite et présidente de l'Association nigérienne des éducateurs pour le développement en aide, explique. L'éducation dans la famille, c'est vraiment une œuvre de longue haleine et qui commence normalement très tôt. Il faut qu'il y ait des objectifs et il faut travailler pour les atteindre ta ci gaba da cewa shi ma yaron yana koyi da halayen da yake gani ga uwayen shi kowane lokaci zai yi neman koyi da su a la fada on s'intéresse à cette éducation chez les jeunes de nos jours surtout les paramètres qu'il faut prendre en compte pour la réussir me ya kamata a yi hatara da shi cikin tarbiyyar da ake ba matasa don a nisanci wasu halayen da ake gani wajen matasa abin bakin gani a wataran a nan cibiyar studio kalangu unguwar kwarka muka dora wannan hira kuma nous avons comme invitée, Bouba Barkiré. Elle est secrétaire générale de l'association Abdayeso. Ça va Tu vas bien Et vous Oui. Sois la bienvenue, c'est ta première fada. Oui, la oh, première. Sonne de Nous avons avec nous Monsieur Amadou Moumouni Soumaïla du Coniprat. Monsieur Soumaïla, vous allez bien Bonjour Rabi. Merci Soumaïla d'être là. désolé du désagrément. Euh, amis de la FADA, on attend les autres. Rendez-vous nigérien. <laughs> Donc on va commencer avec vous. Ce débat qu'on aimerait bien commencer avec tous les intervenants, mais ils vont nous prendre en cours. fada bane wanda muka a yau muna kingin in mu Vous le savez, il n'y a pas de fada sans musique. Nous aurons notre musique, bien sûr. La rubrique qui rose sur l'émission Tous à la fada et la chronique bien sûr, tout enfin. Ah, et la chronique, bien sûr, de notre chouchou Olivier. Top, c'est parti. cikin wasu al'adu nauyin tarbiyyantar da yaro ya rataya ah hein. a wuyan uwayen shi kadai a wani gurin kuma uwa ce ke kula da tarbiyyan diyanta shi uba ya shiga neman abincin iyali mais dans beaucoup de traditions en Afrique l'éducation des enfants c'est l'affaire de tout le monde donc à la fada c'est aussi notre affaire je vais directement à ma première question. Ça revient souvent dans les discussions. L'éducation donnée aux plus jeunes n'est plus la même qu'avant. Minene Sawaya, selon vous, c'était comment avant Monsieur Soumela, je viens vers vous. Euh, vous êtes notre aîné sur cette émission <laughs> de ce matin. Merci Rabi, c'est toujours un plaisir d'être là à la FADA, échanger avec, euh, avec vous et les auditeurs. Vous savez, nous pouvons dire sans risque de nous tromper qu'auparavant l'éducation et celle de maintenant ne sont pas les mêmes. Pourquoi je dis ça Parce qu'auparavant, il y avait cette euh, sociabilité, cet humanisme-là dans nos sociétés. Aujourd'hui, malheureusement, à cause d'un certain nombre d'aspects de, qui ne disent pas leur nom, ou bien qu'on on peut toutefois les énumérer, mhm. qui aujourd'hui entravent la bonne éducation des enfants. Auparavant, nous, notre société, il y a des valeurs qui sont là, il y a des règles qui sont là, qui sont respectées par tous. Mais aujourd'hui, malheureusement, malheureusement, ces règles et ces, valeurs-là sont en train de se détériorer, voire même disparaître, à cause de non seulement d'un certain nombre d'ouvertures que nous, nous, sommes données. Ok. Non, euh, ça c'est un. Et aussi, aujourd'hui, il y a l'avènement des smartphones, des, des téléphones portables, qui font en sorte que nous ne pouvons, c'est-à-dire

kuma sai aka zo aka samu wannan kayan zamani mhm. wata salula mhm. kamar an ka kwatanta kamar uwaye uwa ke kina ba da tarbiya mhm. salula kuma kuma tana tarbiyantar da ita yaron kuma tana ba da wata tarbiya hallo can daban Biba, eh, je veux revenir vers toi. Tu es nettement plus jeune que notre ami Soumaïla, mais est-ce que toi, par rapport à l'éducation que tu as reçue et celle que tu observes maintenant que les mêmes parents donnent aux plus jeunes, aux petits frères, aux petites sœurs, est-ce que tu, sens aussi cette différence eh to ina jin shi parce um, gani da na samu da wadda nike gani ana ba yaran yanzu ba plus muna chigaba plus train de tarbiyyar c'est vrai que monsieur Soumela a wadda ya samu da mais ina nan ga gani différence vraiment entre euh, ce que moi j'ai reçu et euh, ce que j'observe avec euh, mes petits frères et comment ils évoluent surtout avec l'avènement justement de la technologie des smartphones, comme l'a dit le grand frère, c'est ça qui fait que euh, je pense que c'est ça qui fait que euh, ça se détériore de plus en plus, mis à part le fait que, euh, comme il a dit avant, l'éducation était une affaire de tous. Donc, dans la société, tout le monde pouvait s'immiscer et éduquer tel enfant. Quand, quand il voit que l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, tout le monde avait son mot à dire. Alors que là, maintenant, tu peux, vraiment, tu, peux pas vraiment intervenir pour dire oh

si on va profondément dans les valeurs qu'on connaît ici, la société nigérienne, qui est une société purement africaine, islamique et tout. Il y a uh-huh. le respect, il y a la politesse, surtout le respect des, des, aînés. Mm-hmm. Aujourd'hui, on est en train de ça a tendance à disparaître. Tu vas voir un jeune, tu lui dis quelque chose, elle te répond directement. Alors que euh, nous, à notre temps, quand un aîné parle, on te dit, toi, tu ne parles pas. Et l'aîné a toujours tu raison. L'aîné a toujours raison. Ou bien tu baisses la tête. Tu vois, non Et maintenant, si tu regardes un peu, et la famille s'arrête seulement à toi et ta femme et tes enfants. Alors qu'auparavant, la famille, c'est autre chose c'est plus grand. Il y avait ce partage, il y avait ce partage, il y avait vraiment cette cette chaleur humaine qui, qui, est dans la famille. Mais aujourd'hui, tu ne trouves plus ça. Quand tu rentres à la maison, tu, te, rentres, tu fermes ta porte à toi et tes enfants, tu amènes à manger toi et tes enfants, tu fais, achètes des habits toi et tes enfants. Vous voyez ouais. Et c'est fini. tu n'as pas inculqué cette politesse-là. Tu n'as pas inculqué cette harmonisation de ce que c'est que le foyer de ce que c'est que la famille, de ce que c'est que la communauté, de ce que c'est que la société. Kenan kai in na gane kaman zancen ka mai Sumaila akwai abubuwan da da ake kwatanta mana kamar yanzu a ce yaro eh, famikinka ba uwa da uba bane oncle da tante da kaka da kauna kaka da kanan kaka tout ça c'est la famille c'est le cercle familial et c'est le partage duka wani kamar a ce Karaba, ka raba eh, ka girmama manya duka abubuwa ne yanzu da euh, Biba, peut-être qu'il y a des, je sais pas, que le monde a changé avec des dangers qu'on connaissait pas avant, <laughs> ou peut-être qu'il y a des paramètres qui sont venus. Comment, selon vous, comment s'adapter à tout ce changement qui n'est pas forcément positif hein, mhm. euh, de cette société et en même temps garder les mêmes valeurs qu'on avait avant. Si le monde a changé, comment s'adapter à ce changement mm alors moi, je pense que oui. Enfin, avec euh, le fait qu'on a l'avènement des réseaux sociaux et le fait qu'on essaie vraiment de, de, copier euh, les euh, traditions et cultures de l'extérieur, ça fait qu'il y a eu une rupture entre notre génération et celle des plus anciennes parce que les gens de maintenant ont tendance à penser que tout ce qui se fait à l'extérieur, c'est ça la norme. Donc, ils vont essayer de se cantonner à ça et de suivre. Et de l'autre côté, on va avoir les, aînés qui vont leur dire, mais non, en fait, ça, c'est pas le bon chemin, ça, c'est pas à nous, ça, c'est pas notre, euh, notre culture, notre façon de faire. Mais vu qu'il y a eu déjà cette rupture, les jeunes ont du mal à écouter et à se dire, bon, c'est des cas, ouais, non, c'est rien pour eh, essayer de rattraper le coup qu'on arrive à un consensus entre les deux. Il faudrait que les jeunes d'un côté, donc de notre côté, il, faudrait que nous fassions le travail de s'asseoir et plus écouter ce que disent euh, les grandes personnes parce que Généralement, quand tu t'assois et que tu le fais, moi, je parle de mon expérience personnelle. Avant, j'étais aussi dans la même optique de oh, kuzo comment imposer ce que vous vous faisiez avant, alors que maintenant le monde a changé, ça ne se fait pas. Mais tu te rends compte que quand tu t'assois et que tu discutes en fait avec les grandes personnes et qui t'expliquent, ok, Ada, voilà ce que ce qui se passait, Akangani ala Adumu, qui est mhm, et mhm. Euh, comment ça se passe, tu te rends compte qu'il y a vraiment on peut, euh, on peut, oui, on peut euh, concilier, merci, les deux euh, façons de faire et qu'il y a vraiment beaucoup de choses à attirer voilà attirer, de ce que, ils ont à donner de ce que eux ils ont à vous à vous transmettre donc il faudrait que aussi de l'autre côté je pense hein, que les grandes personnes, les, les, les, aînés, nos ben, aînés. Justement, là, un peu plus loin, on va revenir sur comment comment rattraper le coup ben ami de la fada euh zan mu ci gaba da hira tare da wa'annan amana namu da muka gaito yau amma kannan zan mu leka bangaren rubric rose de la fada et eh, on l'écoute et on se reprend juste après Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagées par nos chroniqueuses. Très ravi de vous retrouver, amis jeunes, sur ce nouveau numéro de la rubrique rose de l'émission Tous à la Fada. Avec moi, Ruki, ce samedi, des idées pour maintenir la forme malgré le froid. Et avec moi, Fanta, on va se démaquiller avec des produits naturels. Et enfin, avec moi, Bibi, on va parler du goûter de nos petits écoliers. Bonsoir les filles dans l'espace santé et bien-être de ce samedi, des bonnes pratiques pour être en forme avec le froid qui peut souvent nous causer des douleurs articulaires, de l'inconfort dans notre mobilité. Avoir un bon sommeil est très important pour être en bonne santé car il permet à votre corps de se régénérer. En dessous de 6 heures de temps de sommeil, le risque d'attraper un rhume est multiplié par 4. Le manque de sommeil affecte directement notre vitalité. C'est pourquoi il est important de bien dormir pour garder la forme tout au long de cette saison. Il ne faut surtout pas négliger votre alimentation. Il est préconisé de consommer notamment de la viande rouge et blanche au moins deux fois par semaine. Les poissons et les fruits de mer deux fois par semaine, qui apportent du zinc et fer car des carences font chuter l'humidité. Si vous n'aimez pas trop la viande, je ne vais pas parler de végétarien parce que je ne sais pas si ça existe au Niger. Il est conseillé de consommer davantage des lentilles, les œufs, germes de blé sur les soupes et yaourts tout en gardant une alimentation équilibrée. N'oubliez pas de détendre vos muscles. Après un bain chaud, utilisez des huiles essentielles pour masser délicatement vos articulations. En s'échauffant, les articulations sont lubrifiées et moins exposées au traumatisme pratiquer du sport. Même si les températures extérieures chutent et que la météo se dégrade, pratiquer une activité sportive en période froide est bénéfique. Lorsqu'il fait froid, le cœur doit pomper davantage pour euh, envoyer plus de sang dans les vaisseaux sanguins. Coucou les filles, aujourd'hui nous allons voir comment préparer son démaquillant maison à base de tout juste deux ingrédients de l'eau minérale de préférence, mais à défaut, vous pouvez bouillir l'eau du robinet puis laisser refroidir et de l'huile essentielle au choix selon vos préférences et votre type de peau. Pour la préparation, il vous faut juste un petit contenant de 100 ml dans lequel vous aurez à ajouter 50 ml d'eau et 50 ml de l'huile essentielle que vous avez choisie. Pour utiliser ces démaquillants bio, il suffit juste de bien secouer la préparation, imbuber un petit morceau de coton avec et le passer minutieusement sur chaque coin de votre visage. En principe, c'est bio, naturel et zéro effet secondaire. Et voilà les filles, c'est tout pour aujourd'hui. Passons à présent à l'astuce cuisine. On a des bons plans pour les mamans. En cette période de froid, nos jeunes mamans, dans la rubrique rose d'aujourd'hui, auront plein d'idées pour le goûter de nos bouts de choux qui vont à l'école. L'élaboration d'un goûter sain et bon tôt le matin peut devenir un vrai casse-tête. Parlons d'abord de la nécessité du goûter. En effet, les enfants, vous l'aurez remarqué, se dépensent sans compter. Il est donc nécessaire de recharger leur batterie lorsque le temps entre deux repas est trop important, soit au-delà de 5 heures. Le goûter doit donc apporter l'ensemble de tous les nutriments dont leur organisme a besoin. Une mention spéciale pour les fruits, on commence par ça. Le fruit apporte du sucre rapide. Il sera donc une source d'énergie immédiate. Il contient des fibres toujours bonnes pour le transit et qui ralentiront quelque peu l'assimilation du fructose, le sucre du fruit. Les fruits sont une bonne source de vitamines, notamment la vitamine C qui stimule les défenses immunitaires de l'organisme. Si votre enfant est petit, vous pourrez couper les fruits à l'avance et l'arroser d'un jus de citron pour éviter l'oxydation. Maintenant, les pièges à éviter. Le premier piège à éviter, c'est le sucre. Notre alimentation est largement trop riche en sucre et celle de nos enfants tout particulièrement. Deuxième piège à éviter, le chocolat. Remarquez que je n'ai rien contre le chocolat, hein? mais celui qu'on nous propose souvent euh, sur le marché est trop sucré et trop gras. Un mélange détonnant qui ouvre un grand chemin sur le surpoids et le diabète à bannir vraiment la solution est simple et efficace. Fuyez, fuyez, fuyez les plats préparés industriels, les goûters individuels sur suremballés. Les sucreries aussi. Ce sont du mauvais sucre en trop grande quantité et des colorants en plus. C'est tout pour aujourd'hui. Euh, nos jeunes mamans, nos jeunes amis de la rubrique rose, on se dit à demain pour encore plus de bons plans. She had two, three drinks, now she twerking. She throw it out and come back in. That's my best friend. She a real bad bitch, drive her own car. She don't need no lift in a strip club. No, my girl gon' tip. Now she twerking, she throw it out and come back in. Beep, beep. Is that my bestie in a taxi. Fresh blowout, skin on town, she ready. Bitch, you look good with a T at the end. I'm a hyper every time, now my motherfucking friend. She been down since the jellies and the bobos. Now me stepping out the G, and my nut lows. When we pull up to the scene, they be filled with jealousy. If a bitch get finicky, she gon' bring the energy. Amis de la Fada, on revient aujourd'hui à cette Fada installée au siège même du studio Kalangu au quartier Kwarakano. Amuna wana Fada mun ga muku dai akwai inda muke jira su iso abasa bisa kan wannan shirin to ta zo da shi da sanin da zuwa. Yawa sami. To yau da hira da muke nan gai hira bisa kan wannan tarbiyyar da muke gani ake ba matasa ake ba yara muka fara zance mun yi zance basu ka irin tarbiyyar da ya kamata a bada wadda kakanni suka ba uwaye uwaye kuma suke bamu da da ya kamata a ce an gyara ta an kimtsa ta ta tahi da tahiyar da canjin rayuwar da ake naga gani a yau kullum wannan modernization kin kullum sabon abu na bullowa wayannan wanda suka fara hira wannan tare da mu sun ce en fait c'est une éducation qui doit s'adapter on doit chercher les voies et moyens pour réussir à concilier ce qu'on a comme valeur et la marche du monde et, et toute cette modernisation, toute cette technologie qui nous entoure. Yanzu, euh, Tambaye da zan miki, Rashida Bizo, tu es du CSNEJ. Euh, ina so insani, a ganinki, quels sont les paramètres à ne pas perdre de vue yau in ana nan gaba in ana nan da ake yara da matasa selon toi merci bien Mhm. Merci surtout de m'avoir invité euh, sur la FADA. Merci d'être là, ma chérie. Je vous en Donc, euh, je ne sais pas si mes prédécesseurs l'ont dit, mhm. mais quand même, je vais un peu revenir là-dessus parce qu'on dit que la répétition est pédagogique. Je pense que il est important que les parents aussi euh, se mettent en tête que la génération d'avant est différente de cette génération et que cette génération a entre ses mains plusieurs outils, plusieurs ouvertures que la génération d'avant n'avait pas. Donc il est important que l'éducation à la maison aussi s'adapte en fonction du changement de l'extérieur. Parce que on le dit toujours, l'éducation commence à l'intérieur, à la maison. Mais quelle est l'éducation que les parents, eux, donnent aux enfants Parce que dans plusieurs maisons, vous allez partir trouver que la maman, elle travaille, le papa aussi. Quand ils sortent la matinée et reviennent le soir, ils sont déjà fatigués. Ils ne s'intéressent même plus à qu'est-ce que tu as fait à l'école, qu'est-ce que tu as appris. Mais c'est plutôt un répétiteur qu'on recrute pour venir à la maison enseigner aux enfants. Vous avez étudié pourquoi Moi, je me dis. C'est important que les parents trouvent du temps pour demander aux enfants qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que la maîtresse t'a dit, qu'est-ce qui se passe à l'école parce que tel avec wannan yan tambayoyin da ake ma yara da kun tahi lakol me mi yi me aka koya muku da yanzu ba ma a samun dama mm. ba a samun dama wannan hira da yara an nemi daman nan tout. Et les, parents aussi qu'on a maintenant, je sais pas comment le dire, mais ils croient trop. Genre, ils ont tendance à beaucoup écouter parfois ce que disent les enfants plutôt que aller à l'école vérifier. OK. Euh, le contrôle, le contrôle. <laughs> cikin wannan hira tamu dai le contrôle. duka dai wa'annan wanda kuka yi zanci bisa kan wannan hira tamu dai kun ci uwaye su sa ido cikin abin da ke faruwa alakol cikin unguwa in suna in suna tsakankanin su matasa a ça ido à ça abin da ke faruwa cikin saluloli duk ko ina ma a sa ido sur l'émission tous à la fada aujourd'hui Soumaïla zan dawo janka les influences néfastes ou les mauvaises fréquentations à quoi faut-il faire attention dans la vie de tous les jours pour réussir cette éducation Vous kuna il y a quelqu'un qui défait tout ce que vous avez inculqué bon tout ça tout ça là c'est vraiment la bonne éducation que l'enfant peut avoir à la maison hein. Et comme les uns et les autres ont eu à le dire, c'est vraiment la discussion. L'enfant, quand, il est, quand il est mieux à la maison, il ne veut même pas sortir. Tu vois Moi, des fois, c'est je, vous dis que mes amants, des fois, c'est eux-mêmes qui m'empêchent de dormir. Quand je suis là, là, <laughs> tu vois Donc ça veut dire que les enfants sont, sont, sont, mieux à la maison et ils te parlent de certaines choses. Tu crées cette, euh, ce, cadre de discussion entre toi et l'enfant. Donc du coup, même s'ils partent ailleurs, ce qu'ils vont apprendre, ils vont dire que pour eux, leurs parents et leur foyer là est mieux que n'importe où. Donc, du coup, il ne peut pas être influencé. Il ne peut pas être influencé. Il faut vraiment créer ce cadre. Ce cadre-là. Un. Et de deux, il faut que nous, nous à nos enfants déjà, euh, la religion. Parce que l'enfant, plus l'enfant apprend les, préceptes islamiques, plus l'enfant va se dire ça là c'est bien, ça là c'est pas bien. Vous voyez donc du coup ça même ça peut ça peut nous aider addini ma mm. ça peut nous aider normalement mais c'est une complémentarité c'est une complémentarité effectivement addini wasa da addini ah, parce que l'enfant quand tu vois ce que tu fais hein vis-à-vis de ta religion c'est ce que elle, euh, si ou bien lui aussi va apprendre mais des fois on a, c'est comme ce que j'ai dit dans l'entame de mes propos. nous soit Barik, tu vois, tu, tu fais tu vois les autres, les autres nationalisés. Même s'ils partent en Occident, tu vois, ils partent avec leurs leur, leur, coutumes, leurs traditions, leurs religions, Tu vois, les Maliens, les Sénégalais, les autres nationalités, quoi qu'on fasse, ils partent avec tout ça là. Et ouais. des les Blancs, c'est les Blancs même qui les envient. Mais nous, Nigériens, tout notre problème, Dès qu'on quitte notre territoire, c'est fini. On a oublié tout ce. <laughs> on, a, on, a, on, a, oublié tout ça là. Donc, tout ça là, il va falloir que nous revenons à nos valeurs. Nous revenons à nos traditions. La tradition, il y a beaucoup de choses qui sont bien dans nos traditions. Il y a beaucoup de choses qui sont bien dans nos valeurs. Maintenant, certes, la vie de maintenant est là, la génération de maintenant est là. Maintenant, il va falloir que nous aussi, on essaye d'intégrer nos valeurs-là dans cette, dans cette vie de maintenant. Effectivement. Mm. par rapport à ce qu'il avait dit. igini hala zanka ne kan tarai bor fo ma don dangan digina al kan alhaku wani alhaku wani alhaku wani no goni si fu no igi himgi ta al ga no alhakai kan gasi ga no tarai da fatta asala kalai nandi asinan zan kam sara vous ce que je veux dire mm. avant que quelqu'un dehors lui dise tu as tel droit c'est à toi le parent de lui dire val si ton droit et je te le donne comme ça, quand quelqu'un va lui dire, il va dire oui, c'est vrai, mon père ou ma mère m'a dit. Le problème du Nigérien, c'est qu'il croit toujours que l'éducation, c'est uniquement la maman. Et l'évolution de notre société fait en sorte que les mamans, elles sont autant occupées que les papas. Ouais. Les, autres nationalités dont vous parlez, vous allez voir que le papa s'occupe de la même manière des enfants que les papas, que les mamans. Vous voyez l'entraide dont, on parle dans le couple, c'est ça aussi qu'on doit cultiver. Parce que notre société est en train d'évoluer vers un lieu où on doit se dire que le papa doit prendre aussi son bâton de commandement pour venir non seulement pour taper quand il y a erreur, mais aussi pour guider de la même manière qu'on dit que la maman est le guide du foyer. Le papa aussi est guide du foyer, non pas pour punir, mais aussi pour mettre sur la bonne voie. C'est important parce que cela fait en sorte que l'enfant connaisse ses limites et là où il ne doit pas franchir. Eh, deux fois aussi, deux fois aussi. Euh, <laughs> notre, <laughs> société, notre société aussi, il faut, le dire, les hommes de maintenant, je suis homme, mais ils ont beaucoup démissionné. Et pourquoi ils ont démissionné Parce que non seulement il y a un facteur qui est là, il y a un facteur de polygamie que les hommes de maintenant ne maîtrisent pas. Mm-hmm. Et de deux, les hommes de maintenant courent tellement les filles qu'ils n'ont pas de <laughs> temps. C'est une réalité. Mm-hmm. C'est vraiment une réalité. C'est vraiment une réalité qui est là. C'est une vérité qui est là. Donc du coup, tu ne peux pas avoir l'esprit à la maison et l'esprit ailleurs. Donc du coup, aujourd'hui, nous, on, a, on, est des familles polygames à notre temps, mais toutes les mamans sont dans une seule maison. Donc le papa a le contrôle. Mais aujourd'hui, tu te maries à des femmes, trois femmes, l'autre femme est à Tonibia, hein. l'autre est à aéroport, <laughs> l'autre est à jusqu'à Quartegui. Mais comment, comment, s'il vous plaît, s'il vous plaît, comment tu peux arriver à gérer toutes ces familles Vraiment, c'est... <laughs> <laughs> c'est pas juste le rôle de la maman de gérer cette éducation ou de chercher ou de cultiver ces valeurs chez l'enfant. C'est un travail des deux parents, c'est un travail des tantes, des oncles. On l'a dit tout au long de cette émission, c'est un travail de tout le monde. Kenan, sa ido, euh, abubuwan da eh, ya kamata a yi hattara da su amuna na da haka mu ci gaba da hira tamu tare da wa'annan wanda muka gayyato a nan cibiyar studio kalangu za mu zo mu shakata da yan uwa da safiya ya on se reprend juste après uwa masashe da mata kanana da manya muna kowa aquí Safiat on revient sur cette fada aujourd'hui installée au siège même du studio Kalangu. Yau kuma hira da muke nan ga basa kan wannan tarbi'ar da ake ba kannanmu matasa yara kankana menene kamata a hatara da shi bisa kan me ya kamata a sa ido cikin wanga zaman da ake ciki me ya kamata a yi hankali da shi shi yasa muka gayyato bi babar kire SG kin Association Ardeso Amadu Mummuni Sumaila Dukoni Prat, Rashida Bizo, du CSN EJ da su muke nan muna wannan hira. Ku bi mu sau da kafa mun kusa zuwa ƙarshen wannan shirin namu. Tambaya ta ta ƙarshe zan zo wajenki ehm, Biba, mhm. Biba Barkire, da mhm. Abdo Yeso. An mhm. ba a sa, an ba a yi hattara ba. Si vraiment on fait pas gaffe. A ganin ki, on fonce où là? ba yi hankali ba ganin ke kamar plus ana ci gaba yara za su kubce mana su je su shiga cikin wani hali da za su kai inda a waye ba za su iya taro su ba paske kom tun suna tashi ba a bisa ba a hankali ba a san ba abin da suke ciki ba a shiga ba a rayuwarsu <clears throat> suka yi tai suka yi tai su kai inda akwai wuya a samu a komo baya a ce za a bi su a ce ok yanzu za a fara aikin aikin taro a gyara e mana nan za a rika shan wahala shine za ku gani a rika shiga um, halin da yaro ya ka inda ba iya kamo shi yana shaye-shaye yana shige-shige wuraren da exactement tu babu même pas imaginer. tu peux pas imaginer en tant que parent aka gani uwayen sun san abin da sun yi découvrir abin da yaran suke ciki su hara crise cardiaque da Malachi parce que dès le début ba ku yi ba suivre un su donc c'est compliqué vraiment de voilà, rattraper. Voilà, c'est réseaux sociaux, une vidéo. dan kai na ciki. Ouais, kai na ciki. C'est ça. Sai kaga a réseaux sociaux kai na ciki kace a dana ne ai ban san shi ba da haka nan. Dana ni na san dana ba haka ba yake ni ni ni nayi education ni ni ni nayi wanga yan shi ba haka ba yake. Alors que quand tu dis que tu connais ton enfant c'est parce que ok ka san yana gida kana ganin shi kullun gida kuna menene kuna wannan alors que au fond baka shiga rayuwar shi baka san ba abin da yake ciki tu peux ouais. pas dire que tu connais ton enfant vraiment alors que tu n'es pas tu l'as pas habitué enfin à une relation de ouais. hira mm -hmm. de mhm. confiance c'est ça mm -hmm. c'est ça in a donc in yaro ya yarda da kai kuna hira kuna mi abin ah da yake zuwa zai faɗa maka Rashida ki zaki min clôturer wannan débat kin forcément au session énergie vous, vous représentez les enfants vous êtes à leur côté et tout vous avez, je peux dire, une vue d'ensemble globalement, euh, que ce soit en région, que ce soit dans les grandes villes. On va où là si on ne fait pas attention euh, Perte des repères, dépravation des mœurs. C'est là-bas qu'on va. Et notre société est déjà engagée dedans, si vous l'avez bien remarqué. Ouais. Parce que euh, on ne pose pas les problèmes, les questions qu'il faut poser. Les, les, on est là en train euh, de, se dire que c'est les Blancs qui veulent changer nos enfants. C'est ça que les parents disent, en fait, la plupart du temps. C'est à l'école, tu as appris ça. Alors que vous, qu'est-ce que vous avez pris le temps de lui apprendre à la maison Tout à l'heure, là, euh, monsieur, parlait de, monsieur parlait de, euh, on dit, confiance et aussi lui apprendre qu'il ne peut pas tout avoir. Ça, c'est à la maison qu'on doit lui apprendre, pas à l'école. On compte trop sur l'école. On compte trop sur l'école pour éduquer les enfants, alors que l'éducation, c'est d'abord l'éducation de la maison. Nagode, kuma ku duka, nagode. Shirin namu, hira tamu ta Francis Hausa ta zo karshe. Kan yi ban kwana kwata-kwata da kuzan ba Olivier dama ya zumi chronique kin tashi ta wannan makon. Et on se dit officiellement au revoir. Chers amis auditrices et auditeurs, bonsoir et merci de votre fidélité à la FADA du studio Kalangu. Je suis ravi de vous retrouver dans la FADA et on va parler de l'art musical nigérien. Oui, vous vous demandez bah, de quoi il s'agit ce soir. Bien évidemment, ce soir nous allons parler d'un homme et de son art. Un jeune nigérien qui allie technique vocale, langue locale sur un style original. Un jeune qui a fait sortir récemment un clip vidéo subliminal eh bien, les amis, ce soir dans la chronique, nous allons parler du prodige Altesse et son slam. En pleine promotion de son album intitulé Naufrage, un clip de son premier titre, en featuring avec la slameuve Mounas, a été lancé. Une musique avec des sonorités somptueuses, produite avec un professionnalisme et un clip bien réalisé, dans lequel les deux artistes nous proposent un voyage dans notre quotidien. Un quotidien amoureux dans lequel les artistes se posent des questions sur les conséquences de la sincérité dans une relation. Si je te disais que j'aime les femmes naturelles qui n'ont rien d'artificiel, demande Altesse Mounas et à elle de répondre, alors que moi j'aime les perruques, les make-up et les shopping. Eh bien, les amis, cette chronique est une invite à la consommation de l'art local. Cet art qui nous ressemble et nous rassemble premier soir des artistes, Altesse et Mounas, est disponible sur YouTube. Allez-y écouter et donnez la force à l'artiste en écoutant son album Naufrage. Et si je vous disais que ceci est une chronique artistiquement bien écrite que vous n'écouterez que grâce au studio Kalangu avec à la technique Tanti Ami, qu'allez-vous me dire Eh bien, rendez-vous demain pour une nouvelle chronique et comme toujours, paix, lumière, amour sur vous. One big love. Bye bye. a baya voilà la conclusion à laquelle on est arrivé ka amance da baya ka amance da inda aka hito ka amance da al'adun da aka al'adun namu ka amance da irin tabi'o'in inda kakannin mu suka ba uwayen mu su kuma uwayen da ya kamata a ce su ma sun ba mu to yanzu amma na fara sai mu ce a huta lahiya